Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des pirates contre la Covid-19. La pandémie liée au coronavirus est encore là et toujours là. Méfiez-vous, prudence et vigilance. Pour cela, Surtout Salafada, on continue le combat en abordant ceux qui se battent à travers leur art pour passer le message sur les dangers de la maladie. Nous recevons cette semaine, ladies and gentlemen, un artiste que les mélomanes nigériens, en tout cas, connaissent très bien. On l'a vu évoluer depuis son groupe Mamadi Boys jusqu'à atterrir en solo aujourd'hui. Eh, vous connaissez sans doute euh, la chanson On n'est pas des pros, mais on veut devenir des pros. On n'est pas des pros, mais on veut devenir des pros. Oh, yeah. Sur le travail beau. sur le travail c'est le travail on sait aussi que la vie c'est un combat, un éternel combat. Et nous sommes là sur cette rubrique pour combattre justement euh, euh, la pandémie euh, du Covid ou de la Covid-19. Alors ça vous dit aussi certainement, on va voyager on quitte bien évidemment Niamey puisque le studio est implanté ici à Kwarakano. On sera à Maradi. On va parler d'une tradition. C'est Kashi, c'est Kacha, c'est tangor. kaci kos sai ka ji shusha sha sai ka ji sha sha sha sha sai ka ji kankarar ta kai ta ce kwas kwas kwas kwas sai ka ji shu sai ka ji sha sha sha sha sai ka ji kankarar ta kai ta ce kwas kwas kwas kwas a bien sûr les disant de gentlemen ka gani ka gani lanka ka ka gani ka gani kolelan ka amma ke takarawa ka gani ka gani le lanka. Allah ya yarda. Ka gani, ka gani, ka Ta, ta, On va Duma sur l'émission yeah. Aziz Tony, je te souhaite la bienvenue. tu n'es plus à présenter. Alors Aziz, comment tu vas Tu pètes la forme ou c'est la forme que tu fais Ça va, ça va, tranquille. tout, se passe bien Aziz Ça marche, ça pousse doucement. Ok, tranquille. Alors aujourd'hui, on va parler de cette pandémie parce qu'on sait que l'artiste est extraordinaire. On va parler de la pandémie de la Covid-19. Faut-il retenir quelque chose euh, Tu en retiens quoi s'il faut retenir quelque chose toi Qu'est-ce que tu euh, retiens de cette maladie Dis-moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie planétaire, il faut l'appeler ainsi. partout elle n'épargne personne, et elle, elle, ne fait pas de distinction euh, entre l'âge, la couleur, l'ethnie et tout, et tout, et tout, tout. le monde est concerné, tout le monde est exposé, voilà. Alors Aziz Sony, dis-moi, en tant qu'artiste, jusqu'où tu es allé dans ton engagement pour aider les populations nigériennes à se protéger contre cette maladie Tu euh, fait, je sais que tu l'as fait. Oui, bien sûr. D'une ou d'une autre. Bien sûr, comme engagement, moi je n'ai comme arme que le micro. Donc euh, par rapport à nos micros, on a sensibilisé avec des petites vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a sensibilisé, on a essayé de montrer aux gens euh, la gravité de cette maladie qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce que d'autres y croient, d'autres n'y croient pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vrai, c'est réel, ça existe. Et on a donné tout ce qu'on peut donner pour sensibiliser les uns et les autres d'ici, d'ailleurs, de la campagne et de partout. On est toujours en attente des médicaments contre le coronavirus. En attendant, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour continuer la lutte à Zistodu euh, Ce que je propose euh, aux gens, mhm. à la population, à tout le monde, c'est de faire surtout, surtout beaucoup attention mhm. et de respecter les gestes barrières. Tout simplement, la prévention. la prévention. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. voilà. Mais tu vois, non Donc, on, Voilà, on doit faire très attention. Très attention. Alors, l'instant, cette fois-ci, est solennel. Ah, bien sûr. On aura besoin d'un mot, un mot de fond de l'artiste en ce qui concerne ce numéro. Parce qu'on euh, sait que l'artiste a toujours un message à véhiculer. Tu es kiffé par la jeunesse. Aujourd'hui, tu es écouté par le Niger, de par le Niger, tu es sur le plan international, on te kiffe. Alors quel serait toi ton mot à l'égard de cette jeunesse qui kiffe cette rubrique Aziz Tony pour finir Yeah, cette jeunesse, je demande à cette jeunesse beaucoup plus de conscientisation, mm-hmm. beaucoup plus de prudence, euh, de ne sous-estimer, de ne pas sous-estimer cette maladie. Mm-hmm. Et je souhaite la paix pour tout le Niger, pour tout le peuple nigérien, pour toute l'Afrique. La paix et aussi euh, l'invasion ou euh, la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Bien sûr, bien sûr. Euh, la paix. Yeah mot important. Alors Aziz Tony, on va finir cette émission avec un peu d'ambiance. Yeah. Je sais que tu aimes ça, je sais que tu te secoues ouais, déjà la tête. Sûr, et tu sûr. sais aussi qu'est-ce que tu kiffes, il kiffe euh, aussi ça. Yeah. Donc du coup, qu'est-ce que tu me proposes pour finir cette émission, Aziz ah. Tony Bagamane satin sab in mbamban taduma da kabewa. Kai kai. Bagamane rondondom. Inkin iya kizo ki gwada mana. Eh. Bagamane rankenken inkin samba ke iya bato ja daga baya. Ga fili ga doci rana ta fito lokaci alors la jeunesse nigérienne connectée un peu partout en prend congé de vous souciez. Big up!